wasek Team Team. wasek Non, bah, je vous souhaite la bienvenue. Merci pour cette nouvelle saison, euh, pour les podcasts sur Voyageons Local pour blogspot.com. Merci, madame, d'être avec moi ce soir. Comment allez-vous Wouh Ça yes va bien wow. <laughs> Bah, merci. Du coup, voilà, je vous présente mes cousines. On va pas, on va pas citer tous les noms. On va garder l'anonymat, il n'y a pas de problème. Et donc, euh, je voulais discuter avec vous, enfin, que vous me donniez un peu votre, euh, vos, vos, avis, vos retours d'expérience sur euh, bah, l'utilisation du créole qu'on a en famille. Qui veut commencer Allez, on va commencer avec toi. Donc, Marie-Sophie. <laughs> Bah oui, moi je trouve ça super. Je pense que j'avais déjà fait un podcast, un podcast, un podcast pardon, avec toi sur le sujet. Euh, comme je le disais, je trouve que c'est bien parce que nous, on ne parle pas la langue, on ne parle pas le créole. Nos parents nous ont beaucoup parlé, mais on n'a pas pratiqué. Du coup, euh, même nous, hein, lorsqu'on aura des enfants, lorsqu'on aura une famille, ça sera difficile d'inculquer le créole à nos enfants et de garder la langue. Et du coup, je trouve que de mettre en place des activités, des ateliers euh, autour euh, ben, de notre langue mère, en fait, ben, ça fait perpétuer euh, ben, nos traditions, notre de nos, nos <coughs> voilà, nos, nos, nos, traditions, notre, notre langue. Euh, et ouais, je pense que c'est important. Et les enfants ont l'air super contents de participer le dimanche aux ateliers que tu fais. Donc euh, je trouve que c'est super. En plus, du coup, ça nous rapproche. C'est des moments euh, famille où on, on, peut jouer, on peut s'amuser. On fait une pause sur notre semaine et on, on se rejoint, on sourit, on s'amuse et, et c'est super. Ah bah dis donc, c'était complet. Merci beaucoup. Merci, merci. Euh, ça, c'est pas mal comme, euh, comme retour d'expérience, euh, comme, euh, comme avis. Merci pour ça. Il euh, y en a une qui disait plusieurs fois des... que c'était un lavage de cerveau. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos là-dessus <laughs> Non, mais je disais ça pour rigoler parce que euh, les enfants qui apprennent les blagues par cœur, bon, je dis ça pour. Bah, c'est pas totalement faux en fait. Oui, c'est pas totalement faux. plus par cœur <laughs> qu'autre chose. Mais après, en fait, ce qui est bien, c'est que pour nous qui sommes jamais allés euh, en Haïti, et eh ben, c'est une façon pour nous, euh, malgré ça, d'être euh, euh ben, en connexion avec notre culture euh, de la France et en espérant pouvoir y aller euh, un jour et pratiquer tout ce que Rosny nous apprend en lavage de cerveau le dimanche et toutes les fois où on la voit en famille. Quoi. Bah, en fait, c'est pour ça, c'est parce que le côté lavage de cerveau, Euh, ça peut paraître un mot entre guillemets grossier, mais c'est vrai que pour les devinettes, euh, les, euh, les comptines, euh, le fait de répéter et de l'avoir ancré en nous, euh, ouais, je... c'est pour ça que je le prends pas mal, pas trop mal, quand tu as dit lavage de cerveau. <laughs> Ah, merci. De rien. Et du coup, nous en avons une autre qui doit remettre son titre en jeu. Parce que euh, du coup, euh, vraiment, c'était la bosse des devinettes, la bosse des Tim Tim. Mais au final, euh, eh il euh, bah, y a une fois où elle a perdu, quoi. <laughs> tu <laughs> peux nous en dire plus Je tiens quand même à m'exprimer sur ce sujet parce que j'ai été battue par ma propre sœur dans des consistances totalement. Euh... T'es nulle. Alors déjà, c'était pas le. Des conditions. Des conditions vraiment euh, catastrophiques parce qu'il y avait une préférence pour euh, la grande. Euh, non, Donc, il y avait une euh, préférence pour... non, pardon. Il y avait une préférence pour la personne qui disait bien les mots ou les, euh, ou les expressions. Mais je les disais bien moi aussi. J'ai mis toute ma volonté. Comment j'ai pu terminer avec ça, un point et elle 20 0,5 En plus, 0,5 de participation. Non, mais, euh, non, mais euh, c'est même pas parce que j'ai répondu à une question. C'est de participation. J'avais même pas de chocobon ce jour-là. Tu vois ou pas L'important, c'est participer. Mais ça, c'est une phrase de perdant, en fait. j'étais là tous les dimanches. Poupette, j'étais là à toutes les réunions. J'étais là à tous les trucs. J'étais là partout. Et j'ai eu 0,5. Ouais, non, mais ce qui est vrai en fait, c'est que ce jour-là, tu l'as mis sur la voie à chaque fois. C'est que tu commençais. <laughs> Exactement. Et puis elle terminait. Donc ça elle... un travail de Et pourquoi elle avait 0,5 de participation <laughs> Donc euh, voilà, il faudrait peut-être revenir Baga, sur il ça. a commencé gâté Voilà <laughs> Comme dit le livre. Exactement. Donc je préfère ne pas trop parler de ce sujet parce que c'est encore un sujet un peu sensible, euh, comme euh, on peut le voir. Je préfère laisser euh, la parole à mon autre cousine qui est sa première fois sur le podcast. à le, post le podcast. Le podcast. Donc euh, voilà, va s'exprimer sur le sujet. Ah, ça va être difficile un petit peu vu que euh, j'ai pas pu participer euh, <laughs> réellement à. Bah, pas forcément tout, mais, euh, mais c'est vrai la que vie que tu as. Euh, bah, ouais. bah c'est vrai que j'ai pas du tout une approche euh, du créole, que ça soit dans la vie courante, même en mhm. famille mm -hmm. et tout, etc. Donc c'est vrai que le concept, Et tes petites sœurs non plus. Tes petites sœurs, elles n'ont pas encore chanté les, euh, les comptines Pas encore Pas encore. Bon, on va leur dire de, on va leur dire de à ça. <laughs> C'est compliqué Elles ça que dimanche, ah y a qui est derrière. Mais, euh, mais bon, c'est vrai que le concept, en fait, il est, il est super bien. Et euh, bon, après, euh, moi, le problème, c'est plutôt le temps <laughs> que j'ai pas. Pour tout le monde. Ouais, ouais. Mais euh, c'est vrai qu'un petit moment comme ça, ce serait plutôt sympa. Donc, euh, pourquoi pas à l'avenir Bah attendez, si je dis Tim Tim, je réponds quoi Bois sec. Ça, bois sec. <laughs> Elle est pas non, rentrée les... dans ta tête encore. <laughs> Elle n'est pas rentrée dans ta tête. <laughs> Le ah, lavage. Euh... L'endoctrinement euh, va faire son chemin euh, ouais. tout doucement. Bah après déjà nous on peut être fiers parce que nos parents ils nous parlent créole donc on le comprend. On le comprend quand même pas mal. d'un parent parent. Complètement. Enfin, moi, je sais que quand ma mère me parle, je comprends totalement. Après, le, le créole de maintenant, un peu moins parce que c'est le langage des jeunes. Eux, ils parlent le créole d'avant. Et du coup, c'est un bénéfice, euh, un bénéfice pardon, de, de, de le comprendre en fait. Donc, ça, c'est cool. Mm -hmm. Parce que mais le seul hic, c'est comme elle disait ma cousine avant, c'est que on ne pourra pas le transmettre à nos enfants parce que nous, on le comprend, mais on, le, on essaye de le parler, mais on le parlera jamais euh, comme on parle le français et comme nos mères, elles parlent le créole, euh, c'est leur langue natale. Alors que nous, non. Donc, bah, on essaye, ouais. mais on, ça sera compliqué, je pense. Euh, c'est, enfin, ça peut être un peu compliqué, mais c'est pas impossible non plus parce que on est entre on est plus ou moins de la même génération. Et euh, du coup, euh, bah, pareil, en fait, moi, j'ai pas. Là, c'est vraiment avec la pratique. C'est avec la pratique après que euh, qu'on qu est plus à l'aise en créole. Ouais, mais je sais pas si nos enfants ils le comprendront aussi bien que nous, parce que nos mères elles nous parlent vraiment qu'en créole. Moi, je sais que ma mère elle me parle pas français. Hein. Bah, pour ma part, moi c'est récent quand même, parle en, créole en fait. Ah bon ouais. Ah bon, ma mère elle bah, jamais parlé créole. Moi elle parle pas en français. Ah c'est ça Ma mère elle me parle tout le temps créole. Moi aussi Ah moi elle parle qu'en créole. Hein. Quand elle parle en français c'est pour les choses sérieuses. Ouais. Mais sinon, il y a encore. Elle moi me parle aussi. tout le temps en créole. Ouais, non, bah, moi, j'ai, bah, justement, moi, c'était jusqu'en 2013, au moment où j'ai commencé à justement me mettre dans le créole, que euh, du coup, jusqu'ici, elle me parlait plutôt en français. Hein. Ah et, ouais, euh, et, même là, bah, bah c'est maintenant que. Mais tu quand t'allais voir les tantes et tout. bah, enfin, je comprenais, je comprenais, des, je comprenais des choses, mais j'étais pas dedans. Enfin, bah, ah, moi, depuis toujours. En fait, pour le coup, moi, c'est un, un, truc, hein, c'est que j'ai toujours mieux parlé, euh, toujours mieux parlé euh, anglais que je, ne parle, que je parle créole. Et vraiment, ah, c'est ouais. depuis, depuis que je mets à parler le créole, depuis 2013, que euh, bah, du coup, euh, le fait, de, le fait d'avoir faire un peu d'immersion avec des potes, de, de lire des, des, des bouquins, bah, justement, comme M'appeler à quel, à quel content, de lire ce genre de, euh, de ce genre de livres. et euh, de lire aussi euh, des, des, poèmes euh, sur tambo.com et, et puis du coup c'est sur potomitan aussi, potomitan.info. C'est comme ça que j'ai pu me mettre au créole et vraiment le pratiquer, puis après aussi de, de parler avec ma mère et que je, vraiment j'ai forcé pour parler, enfin euh, j'ai insisté pour qu'on parle vraiment qu'en créole, mais sinon avant elle me parlait en, elle me parlait non, en français. dans la même famille, on n'a pas eu le même euh, ah, rapport euh, au créole ouais, en fait. Pas, ouais. Moi je sais que ma mère, du fait qu'on soit métissé avec Steve, elle a toujours voulu euh, nous parler qu'en créole et faire vraiment en sorte qu'on comprenne vraiment à 100% ouais. pour que quand nos tantes nous appelaient euh, ben, euh, au du téléphone, pays, ouais. Mhm. pas mmh. être là en train de se dire euh Ah bah c'est celle qui a fait des enfants du coup avec un français et les enfants parlent pas le créole, c'est la mm. honte. Mmh. Donc elle avait tellement cette crainte qu'elle s'est dit Mes enfants ils sont peut-être métissés mais ils vont comprendre le créole peut-être bah, mieux que certains hein. qui ne le sont pas. Mmh. Donc elle avait vraiment forcé sur ce point-là et c'est pour ça qu'elle est assez fière quand Steve et moi à 6 ans euh, on parlait autant, et, enfin, on comprenait surtout ce qu'elle disait, on mm. répondait en français, mais on comprenait à 100% sans dire Ah, mais qu'est-ce qu'elle dit, maman, on traduit. Et euh, je pense que c'est ça peut-être qui. Bah, ça... Ouais, non, mais ça joue, bah, ça, ça, joue, hein. Parce que même là, je vois, bah, moi, mes ne... pour ma part, mes neveux, je suis super heureuse qu'ils soient, qu'ils soient aussi euh, à l'aise avec le créole, que ce soit pas une crainte, ils essayent. Ils mm. essayent de, justement de. Euh, ils essayent de parler, enfin, ils essayent de, de répondre en créole. Quand j'ai une ils répondent tout de suite voix sec. Rien que, bah justement, j'ai un poème, là, quand je parle de, des enfants à 6 ans, j'ai un poème qui s'appelle Timon de 6 ans, et c'est vraiment pour mon neveu que je l'ai écrit celui-là. Mmh. Et ce qui m'a inspiré celui-là, parce que euh, la, la, joie qu'il a, le, euh, le sourire qu'il a jusqu'aux oreilles, et puis d'aller défier justement, il va défier ta maman, il va défier, euh, ton, mmh. ton, il va défier ton père, sur les devinettes. Alors qu'il avait, un, il avait un naturel, il était un naturel timide, mmh. et assez réservé avant. Et j'ai trouvé en tout cas qu'avec, euh, bah, du coup, en parlant, en parlant créole. Ouais, et qu'en parlant créole, et puis même en découvrant aussi la, bah, les produits d'Haïti, euh, qui était plus à l'aise, mm. plus à l'aise pour aller, aller vers les autres. Et puis vraiment, le fait, quand je l'ai vu, quand j'ai encore, encore cette image, hein, quand tu défies justement ton père euh, sur, euh, sur les devinettes en disant Je connais mieux que toi, et pareil, et, euh, ouais, moi je connais mieux que toi, et tout. Voilà. Euh, et, il fait ça, voilà, à ta maman, à ton papa, enfin, c'était voilà, à peine 6 ans, et euh, alors que juste avant, bah C'était euh, non, pas trop, assez timide, euh, pas vouloir quoi. Mm. Non, parce que c'est important qu'ils apprennent aussi de leur euh, autre culture. Mais c'est mmh. vrai mm. que je pense que après notre génération, ça va être dur pour nous de le retransmettre à nos enfants parce que déjà que nous, on a du mal à le parler euh, à la mm-hmm. perfection. Mmh. moi, tu me demandes de parler créole, je le fais si on m'oblige à le faire. Je le ah. fais et encore, je fais des fautes, mais je fais l'effort d'eux. Ouais. Mais de parler à mes enfants pour qu'ils le comprennent comme moi je peux le comprendre, c'est ma mère qui va s'en charger. Hein. En, en partie, En ah, partie, ah, ouais. mais après, euh, justement, enfin, faut, enfin, faut pas, faut pas se mettre trop de pression, je pense. Et puis, euh, du coup, euh, faut y aller, faut savoir y aller par étapes, parce que euh, du coup, euh, enfin, le fait de pratiquer, c'est une bonne chose, c'est vraiment important. Mais il euh, y a plein de, il plein de petites manières en fait de, de s'approprier le créole et de s'approprier une langue en, en une langue en général, en fait. Je compte vachement sur ma mère, en tout cas, moi, je pense, mm. pour que les ah, enfants ils l'apprennent. Ta nana, elle a beaucoup parlé créole, les enfants. Elle aura toujours parlé créole à chaque fois que je viens chez toi. Elle en créole. C'est il y, y, un peu tout, il y a un peu de tout. Ah sur eux, c'est bien créole. Ouais, mais en fait, tu vois, faut, faut, faut pas, faut pas, faut, faut oui. aller au-delà de ça, faut, oui. pas soit que pour, faut pas, faut pas utiliser le créole que pour, euh, que pour les, que pour s'énerver en fait. Et eh ouais, pour ça. Ouais, bah. Exactement ouais. pour ça. Mais sinon, euh, quotidiennement, non, c'est uniquement le français qui est utilisé chez nous. Mmh. Bah, ouais. moi, j'étais dans, dans, ton mmh. cas, jusqu'à 2013, moi, j'étais dans ton cas. Et, euh, et du coup, c'est important justement que, ce soit, que ça fait partie, faire des moments de plaisir du quotidien. Ça peut être des moments du quotidien, mais aussi des moments de plaisir en fait. Et euh, du coup, ça me fait penser aux, aux comptines. J'en parlais tout à l'heure, c'est que les, les comptines, enfin les, les, devinettes, c'est marrant, c'est ce côté euh, bah, du coup un peu de joute. Et puis euh, les comptines, c'est encore ce lavage de cerveau. <laughs> Après, ça, c'est toi qui euh, le prends comme ça. Mais nous, on n'a pas appris le crawl avec ça. Hein. Ouais, mais on n'a pas appris avec des comptines ou avec des, avec des poèmes. Hein. C'est ça le mm -hmm. truc, on a appris avec le brut. on se faisait gronder en créole. Elle nous parlait qu'en créole, comme si elle nous parlait de tout et de rien. Bah, euh. Alors que là, les petits, c'est par le biais des comptines et des, euh, et des poèmes. C'est mmh. pas dans le créole quotidien. C'est ça le problème. Donc c'est peut-être le décalage de ne pas avoir un parent qui te parle toute la journée, matin, midi, soir en créole. Après, c'est comme pas, tous les pas, cours. C'est pas impossible. Quand, quand tu donnes des, des cours d'anglais à tes enfants, c'est la même chose, c'est des laves de cerveau. Les cours d'anglais, c'est quoi Pour les petits, par exemple, on a les cours d'anglais d'initiation. pour les tout petits qui ont moins de 1 an, alors qu'ils comprennent pas, ils comprennent rien, ils entendent juste des sons, mais en fait, le, le professeur d'anglais va répéter la même chose. Ce sera un cours qu'ils vont avoir peut-être une fois par semaine, et une fois par semaine, ça sera la même chose répétée, répétée, répétée en boucle, jusqu'à qu'ils connaissent par cœur, arriver à un an, deux ans, ça soit un réflexe. Mmh. Avoir les sons et euh, la construction, ouais. ouais. C'est une technique d'apprentissage. Euh, bah, genre, moi, je, moi je, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est que euh, pour le coup, Euh, apprendre le créole, c'est comme apprendre, bah, du coup, euh, ça peut être comme apprendre de l'anglais, comme mm. apprendre de, euh, de l'allemand, euh, comme, apprendre de l'espagnol. Euh, bon, euh, le japonais et le chinois, c'est le mandarin, c'est encore un, un autre level, mais voilà, c'est que c'est une langue vivante, ça reste une langue vivante, donc c'est le côté de la, la pratique. Non, mais ça restera toujours du, enfin, du littéraire. sera pas le créole euh, de tous les jours euh, bah. qu'on peut entendre dans la rue ouais, ou, quoi, ou, dans fait, la, ou, à la maison. ce sera un, un, un créole très, que tu veux utiliser. très grammatical, très euh, construit, ça, très construit. Parce que justement, par rapport à ça, c'est que euh, du coup, as, bah, sur, notamment si tu vas aller, tu peux écouter des émissions de radio, tu as plein d'émissions sur, euh, sur YouTube. Euh, des séries T'as oui, eh, des, des séries, séries aussi Ouais, ouais ah t'en as plein. Et ah nous, on les comprend. Mais c'est pour les, ouais, mais enfants. Après, il ouais, mais faut les pratiquer. Il y a des cours aussi pour les enfants. Enfin, il y a des, euh, y a des, émissions pour enfants aussi qui sont sur, euh, sur YouTube. Oui, euh, il faudrait que je retrouve le nom. Bien sûr. Euh, il, y avait, y a une émission pour enfants. il y a Tilou et. Oh, comment ça s'appelle J'aimerais que je la retrouve, mais il y a une émission comme ça qui passe. ils ont un compte Insta et ils passent aussi bah, du coup sur YouTube. Et euh, après, bah, ouais, les réseaux sociaux, en fait. Sur les réseaux sociaux, les gens, ils parlent, ils font, ils font des lives. Ça permet aussi d'avoir cette immersion, en mm. fait. Parce que pour ma part, franchement, même si, je, franchement, j'ai un bon niveau en, en, anglais, mais je suis partie quoi euh, Je suis partie peut-être 3-4 fois. Je suis partie 3-4 fois euh, en... Enfin, je suis partie 2 fois en... aux États-Unis. Et puis après, je suis partie quelques fois euh, à, à Londres. Mais euh, je n'ai pas, pas fait 5 ans là-bas mais j'ai un bon niveau parce que euh, bah, j'écoute des chansons en anglais, parce que, on regarde des, parce que je regarde des films en anglais sans, être, sans que ce soit sous-titré, euh, parce que... Euh... Mais tout simplement parce que tu t'y intéresses aussi. Ouais, intérêt aussi combiné, mmh. oui. Bah, si oui, t'as un jeune anglais qui arrive et qui te parle l'anglais euh, de la rue à Londres, est-ce que tu vas comprendre tous les aspects qui va qui va pouvoir être dit, c'est ça aussi bah, bah, Ça va être pareil en français, tu vois, tu as des fois t as, t as des mots, des mots comme, comme, sortir des fois que je connais pas. Mais ouais. ça, ce qui va aider, ça va être le contexte, ça va être, bah, du coup, si y' a besoin de, de répéter, si la personne aussi elle veut se faire comprendre. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, oui, comme partout, euh, même tu as des gens, bah, moi le ch'ti par exemple, le ch'timi, je le parle pas. C'est en France, mais je le parle pas, tu vois. Donc euh, c'est pas. En fait, c'est que c'est. Euh, oui, c'est. Euh, effectivement, c'est une marche à. C'est euh, c'est une étape, on va dire, et que c'est, euh, ça peut être une étape ou c'est une marche à, gra à gravir. mais c'est pas impossible, je pense, et c'est oui, après, si on pareil. Peut, on peut, mais c'est vrai que nous, c'est plus, de, plus un exercice pour nous de comprendre le créole. Ma, nos mères, elles nous parlent, on comprend tout de suite, enfin, en tout cas, c'est instantané. Mm -hmm. Même mhm. une fois dans le bus, j'entendais des, euh, des femmes parler, et je me dis, mais elles parlent pas français, mais je comprends ce qu'elles disent. Et après, je me suis arrêtée devant, je suis en fait, elle parlait créole, tout simplement. <laughs> mais je comprenais, mais sans savoir. Mais je dis, en fait, non, elle parle créole, c'est pour ça. En fait, c'est ancré. C'est pour ça, les enfants, ça va être. Euh, autre chose. On va leur parler euh, en français. C'est pas pareil pour chaque enfant parce que par exemple Eva et Monica, leurs parents c'est c'est tonton Jessé et c'est des gens qui sont nés en Haïti donc du coup ça va être beaucoup plus facile pour eux, ils vont avoir la même éducation qu'on a. Oui, ça va être comme nous. Que eux. Elles, c'est vrai que ça va être donc, comme nous. Pour eux, ça va être aussi pareil. Oui, et... parce qu'elles ont des parents qui sont nés en Haïti comme nous. Oui. Mais là, je parle pour les euh, neveux de Rosny, euh, eux, c'est des, des parents qui sont pas nés en Haïti, tu vois. c'est ce décalage-là. C'est sûr, mais après, comme ils sont tout le temps avec leur grand-mère, ça, ça joue aussi. Et puis Tati, ouais. elle commence à parler euh, de plus en plus créole avec eux, donc ça joue mmh. aussi, un, ouais, ouais, aussi bah, beaucoup d'un Ce qui, enfin, là, quand même, ce qui est vrai, là, les petits, par rapport à nous, je pense qu'ils sont beaucoup plus à l'aise en créole que nous. On était à leur âge. À cet âge-là, ouais. Nous, à leur âge, on n'était pas aussi ah, à l'aise en créole. On comprenait, et c'est tout. Mmh. ouais, voilà, c'est qu'on n'était pas. Enfin, on pratiquait pas, ouais, pas plus non, que ça. Euh, eux, là, voilà, ils sont là à chanter, bah, ils chantent, ils chantent, euh, ils chantent les comptines. ils répondent aux devinettes, ils en relancent aussi, euh, du coup. Et puis, euh, ta petite sœur, franchement, à chaque fois, je suis, je suis ébahie quand elle... Euh, Monica. Monica. Quand elle, euh, quand elle lit, elle, elle, a, elle a pas de... Elle a, elle a pas peur, en fait, d'essayer de lire. Et puis, franchement, elle, elle, plus ça va, et plus elle lit vraiment bien, quoi. Donc, euh, et, euh, et puis elle, enfin, même, elle demande, elle, elle, demande à pouvoir lire. Enfin, elle, mmh. aime bien ça, quoi. Donc, c'est... Mmh. pour le coup, je sais pas, moi, je suis, je suis ébahie, épatée par pareil. Franchement, euh, super. Donc euh, voilà, je me dis, c'est pas pour le coup, c'est vrai qu'on n'aura pas, on pas, les euh, on pas le même rapport au créole, mais euh, je pense que eux, euh, ils ont quand même, euh, pour le coup, de l'avance sur nous. Quoi. Mmh. Ouais, c'est vrai. Après, il faut pas que ça se perde. Il faudrait que ça perdure, qu'à un moment donné, il n'y ait pas un, bah, je un fossé. <laughs> tous les dimanches, Rosny, 14h30, 15h, le... <laughs> la réunion, on parle créole. Et c'est vrai qu'il faut pas que ça se perde, sinon les petits, ils vont, à un ils vont décrocher. Ils vont toujours avoir le Tim Tim bois sec, ça c'est sûr. Je pense que ça c'est à vie, ça y est, c'est trop tard, c'est ancré dans le cerveau. Mais après, de pouvoir le, le, parler ou même le comprendre à la perfection, ça faudrait voir, à... Euh, leur demander à eux directement ce qu'ils en pensent. Eva Monica, c'est sûr, elles le comprennent, 100%, comme nous. Elles, elles sont au même stade que nous, mais Enzo et Lorena, ce serait sympa de voir si euh, on leur parle en créole toute la journée, s'ils comprennent vraiment tout, tout comme euh, ils peuvent en comprendre le portugais avec Anna. Ça, ça serait grave mm. intéressant. Mais je pense que le portugais, c'est plus facile que le créole parce qu'ils ont Anna qui est née au Portugal. Tu vois ce que je veux dire ouais, non, bah, Leur rapport au portugais, c'est ouais. beaucoup plus simple que leur rapport bah. au créole parce que Mathieu est né en France. Oui, non, mais ça, après, ça, je suis d'accord pour le coup parce que euh, effectivement, euh, oui, ils sont pas bilingues. Euh, ils, sont pas, ils sont pas bilingues. Euh, euh, créoles. comme ils le sont sur, ah bah oui, sur, le portugais. Sur le portugais. ça c'est clair que non. D'avoir mais... un parent qui a cette langue-là natale, ça change tout. oui non, ça, ça joue, ça joue, ça joue, c'est clair. Mais après, je trouve qu'en termes de culture, en termes culturels de. Ah, de par contre, en termes culturels, on n'est pas, on est pas en déficit, hein, ça. Euh... Ah, mais la culture haïtienne, ça je pense qu'il ouais. de... Le parler, parler de créole, c'est une chose. Que, là pour les petits, justement, c'est ça, c'est que, euh, ok, ils ont pas, enfin, ils, ont, ils sont pas bilingues euh, sur la partie créole, mais euh, parce qu'il y a en fait euh, aussi hein, bah, la, la, culture au, moins au sens large, c'est pas que la langue. C'est aussi justement mmh, bah, le, de connaître un peu, de voir un peu la géographie du pays, les ressources. Ouais, euh, l'histoire, et ce puis, euh, pousse, euh. bah, l'histoire, de comprendre les plats, aussi les mots, ouais, les plats. Musique, voilà. euh, parce que, euh, les coutumes avec la soupe. Ouais, et ça. Toutes ces choses-là. Et même, il euh, y a des fois, c'était quand, on était quand on était à la maison et qu'on écoutait du Chimono. Et qu'on écoutait la chanson CSO. Et les petits, en fait, ils la demandent. Maintenant, ils la demandent, en fait. Ils demandent, ils demandent la chanson Ouais, ouais, Chimono Encore le lavage de cerveau. Ah, ça, ça c'est sûr, ça, ça c'est ça. <laughs> on veut du chimano. Et, euh, et je me rappelle, il y, avait une, il y, avait une, scène comme ça. On était euh, un dimanche, on était chez ma mère. Et puis, euh, bah, les filles avaient demandé la chanson, hop, on a mis. Et puis, euh, je sais pas, euh, à un moment donné, ma mère, elle se lève. Et puis, elle se met à danser et tout. Elle fait, ouais, bah, c'est comme ça qu'on dansait au carnaval euh, quand j'étais en Haïti. Alors qu'on avait déjà mis la chanson déjà plein de fois avant. mais là, il y a ce jour-là où elle avait envie de, de, bah, partager. de partager, quoi. Oh, Et euh, grâce à ça, ce côté de culture, de, bah de, ouais, de partage, en fait, vraiment de partage. Parce que euh, pour le coup, même s'ils ne sont, pas, ils sont, pas, ils sont pas encore allés en Haïti, ben, ils ont quand même euh, ce, ce, patrimoine qui, euh, ouais, c'est sûr. auquel ils, ils ont accès. pas arrivé comme ça en, passe, en ne sachant pas où ils sont tombés. Et c'est vrai que par contre, j'ai vraiment hâte d'y aller. Pour mm-hmm. le mhm. coup, euh, comme si c'était un puzzle qui va se, faire, qui va se terminer une fois que j'y serai allée. Parce que ouais. de, de, de, de n'être jamais. À, d'être jamais parti en Haïti, c'est vraiment frustrant. Mmh. De connaître la culture, de savoir, enfin, parler un peu créole, de le comprendre à la perfection, d'écouter ouais. euh, le compas, manger euh, à la mmh. maison mm-hmm. tous les jours et tout, mais d'avoir jamais été en plus, t'as déjà été en Haïti et dire non, c'est un peu comme une, pas, un peu une honte en fait de dire ouais. j'ai jamais été. Et tu dis que t'es haïtienne, ok, t'es à 50-50, mais non, jamais été en Haïti, c'est la honte. Ça, c'est vraiment, j'ai bah. vraiment hâte de pouvoir y aller et dire j'ai été, j'ai vu ouais. et je sais commencer là-bas et en fait tu te sens complet après. Ouais, là, je vois ce que tu, moitié, je vois ce que tu veux dire. De, de, je vois ce que tu veux terre. dire. Et juste, enfin, je vois ce que tu veux dire. Et je, je franchement, je le partage. Et euh, je l'ai vécu aussi. Et en même temps, et c'est aussi pour ça que, euh, du coup, euh, bah, c'est ça aussi qui me motive. C'est que, euh, qui motive, bah, du coup, le blog Voyage en local. Euh, c'est que, justement, enfin, c'est, euh, le fait d'y aller, c'est super. Franchement, le fait d'aller dans le pays, c'est super. Mais comprendre la culture, vraiment la vivre, c'est autre chose. Oui, bah oui, ça sûr. Et euh, parce que tu as des gens, enfin, j'en connais plein, hein, qui vont en Haïti quasiment tous les ans, mais ils restent dans leur, ils restent dans leur petit village et ils connaissent rien Haïti. Ils connaissent à peine les produits d'Haïti, ils connaissent pas la géographie d'Haïti. Ah non, si tu vas, c'est pour t'imprimer oui, mais... la culture. Euh... Mais ils y vont quand même. Tu maximum. Vois. Ils y vont quand même. Ouais. T'as des gens, ils sont, as des gens aussi, ils vont, à, ils vont, à, ils vont en Haïti et ils restent à la Badi par exemple. Ils sont dans une station balnéaire euh... totalement coupée euh, d'Haïti. Ouais. Non, euh, si voilà. elle est, faut aller dans le, faut aller dans le vif, faut, oui, faut sortir, il mais... faut parler ouais. aux gens. sentir, goûter, découvrir, discuter, mmh. euh, rigoler, danser. Enfin, faut, comme si on habitait là-bas, mais le temps d'une semaine ou deux. Il ah, faut s'ouvrir, bah, faut s'ouvrir ouais, effectivement. J'ai tellement hâte d'y aller, c'est mmh. ouf. Franchement, il y, a besoin, il y a besoin des deux en fait. Il de, euh, y a besoin des deux. Après, vous pouvez partager avec nous si vous voulez. Non, parce que je, disais je, je comprends totalement. Euh, <laughs> Vu que bah, on a essayé avec ma mère d'y aller ouais. en 2018 Sauf que, bah, en fait, ils nous ont carrément euh, annulé nos vols. Ils nous ont dit de choisir une autre destination, vu qu'il y avait ouais. euh, des manifestations et tout, etc. C'était trop dangereux. Et du coup, euh, on est parti euh, en République dominicaine. Et euh, en étant là-bas, en fait, on a essayé quand même <laughs> d'y aller. Les rebelles ouais, ouais, on a essayé. <laughs> Mais en fait, on était dans une, comme dans une prison dorée déjà, de base. Donc, même de sortir de cet endroit, on était un peu choqués, bah, un peu de, des gens, enfin, de, de la population et tout, etc. Et en fait, bah, on s'est rendu compte que c'était vraiment trop loin et ça faisait peur en fait. Clairement. Donc, oui, après, il bah, y, a euh... enfin, y a comment c'était dit aussi, comment c'était euh, organisé, parce qu'effectivement, si vous étiez dans une. Euh, là, c'est un, un voyage organisé ou enfin, Ouais, c'était un, voyage organisé, tout, ouais, etc. Enfin, on avait et tout puis, sur euh, place et limite. Euh, bah, en fait, c'est pas fait. Un voyage. Euh, en fait, c'est vrai que c'est pas fait pour aller comme ça vers l'extérieur. Ouais, ouais, parce que y en a plein qui vont dire, bon bah ouais, enfin on parle des manifestations et tout, mais qui y vont quand même. Mm, mm, mm. Et euh, il y a une chose aussi qui, qui se passe, enfin il y a une réalité, hein, c'est que les manifestations, ça passera beaucoup dans les agglomérations. Il y aura beaucoup de choses euh, qui vont se passer euh, à Port-au-Prince, mais après quand on va aller, bah, quand on va aller dans d'autres euh, dans d'autres régions, euh, soit qu'on aille euh, du coup à Grandance ou au, en Plateau Central ou autre part, bah, ou même dans le Nord, hein, c'est pas, ça, ça, ça, sera pas pareil. Et euh, bon, ça ne veut pas dire qu'il se passe rien du tout, mais euh, c'est pas forcément pareil. Et des fois, c'est, ça fait un peu, peut-être un peu trop grossi par les médias, qui fait qu'on euh, on a ce, euh, cette impression qu'il y a bah, que cette insécurité. Quoi. Ouais. Quand on, arrive à l'aéroport, euh, que tout de suite on, est dans je sais tuer, pas quoi, on peut nous tuer, nous ouais. enlever. Euh. Ouais, ou les histoires, ça fait kidnapping, ou que genre, je ne sais plus c'était en quelle année qu'un couple bah, avait essayé de, d'adopter un enfant Et euh, ils sont arrivés à l'aéroport, ça y est, ils se sont fait tuer, tout, etc. Enfin, après, il y a plein d'histoires comme ça, mais euh, c'est vrai que comme première approche, ça fait un peu peur. On se dit, ah ouais, il y a tout ça, bah, si je mets un pied là-bas, ça se trouve, je ne vais jamais revenir. Mm -hmm. Donc ça fait peur, mais d'un côté, je me dis, non, en fait, il faut que au moins une fois, je vois de mes propres yeux ouais. ce que ça donne, vu que je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, je, ne sais pas. Même voir le sol, ça me ferait plaisir, en fait. Mm -hmm. Après, il y a des reportages, on peut voir. Oui, il y a des reportages. ne faut pas regarder, pas faut pas regarder les reportages vrai. de TF1, etc. Il faut regarder oui. ceux qui sont sur Arte dans les chaînes vraiment. Mais aussi, euh... même sur les réseaux même sociaux, ça circule ouais. aussi. Mais moi, moi, ce que je veux, y aller. Euh, bah, c'est pas la même chose. ma mère, quand elle y va et qu'elle rentre, et eh ben sur sa peau, sur son visage, ça se voit qu'elle revient, elle ouais. revient d'Haïti, elle, elle, sent bon, elle a la peau douce. Ça se voit, là, les beaux, les cheveux, ses cheveux ils sont beaux, j'ai vraiment ça se voit que tu, <laughs> quand elle rentre d'Haïti, elle, elle, elle, les rayonne. C'est, euh, Et même ça, quand elle rentre, on sent l'odeur. On se dit, ah ouais, il y a quelqu'un qui vient d'Haïti là, ça se sent. Ah bon ouais, Je sais pas, non, ça, ça, sent super bon. Je sais pas, c'est pas la même odeur. C'est, je sais pas. des produits qu'elle achète là-bas. Quand elle rentre, ma mère, je sais pas, elle, elle, ouvre sa valise, ça sent, ça sent le bled, j'aime trop. Mais ah après, c'est qu'elle n'est pas partie. Euh, il y a plein de produits qu'on a Ouais, je sais pas, elle du cassave, du chocolat, des mangues, ah, des chiclettes. des, des, des, des ah, bijoux, oui, des oui, tableaux, enfin ramène trop de trucs à chaque fois. C'est vrai que, ouais, quand ouais, vrai que souvent, c'est, ce, quand ce que tu as dit là, effectivement, euh, que, quand, on revient du, quand on revient du pays, c'est, euh, oui, c'est tout de suite ouais, cassave, euh, bah ouais. cassave, mamba, enfin même si on peut en faire ici, mais euh, voilà, genre mamba, un peu ouais, chiclette comme tu as dit. Ah ouais, là, non, aussi, ramène ce moi. Je 200 <laughs> <laughs> Et euh, ouais, Ah, ouais, les mangues aussi, ouais. Ouais, la canne à sucre. La, canne à sucre. Ça ressemble à du litchi, mais c'est pas du Ah, les quenelles. Quenelles. Oh quenelles. Ah, ah ouais. non, mais j'ai vraiment hâte d'y aller. Franchement, pour le coup, là, le jour où je te dis, j'ai en Haïti, je crois que. Ah je serai complète. Ah, eh bah, avec plaisir. Avec plaisir. Tu nous raconteras tout ça lors podcast. ah, ouais, <laughs> plaisir. Tim Tim. Bois sèche. Tim Tim. Bois sèche. Glomontémon. Carassuc. Non. Bois Glomontémon. Donc de l'eau qui monte une montagne, de l'eau qui gravit une montagne. Glomontémon. Je sais pas, faut demander à Enzo. C'est lui qui connaît toutes les réponses. Glomontémon. Sodo. Non. Cocoyer. Cocoyer, ça. Vai, vai, Tim, Tim. de l'eau campée. sucre. Ah, merci. ça, c'est un basique, ça. Ça, ça c'est un basique, ça. Tim, Tim. Tim, Tim. Moins rentre et blanc, moins satimilate. Moins euh, blanc, Du riz Non. Mais eh non, c'est le pain. Ouais. Ça se rappelle. Je rentre ah, blanc, je sors métisse. Eh ben, Tune, Dès qu'elle va prendre la parole, <laughs> C'est nul. <laughs> Euh, Yon Wei des 10 000 blindes. Jojo, tu vois, ça, ça je sais. Eh, eh, eh, c'est moi qui entends C'était nul. Tim Tim. Bois sèche. Vini, Rivé. On la connaît celle-là aussi. On la connaît celle-là, c'est un, un, basique. Doué Vini, Doué Pati, Doué Rivé. Mince. Non, c'est ça, Ah, pas mal. voiture. Non, mais c'est pas une voiture, mais c'est pas mal. Ah, c'est ça, ça le bus. Ouais, ça fait. Bravo, <laughs> bravo. J'ai dit le bus. Non, non non. elle a dit j'ai dit tap tap. Voilà, ah, c'est ça qui se passe à chaque fois. T'es nul. Non, toi t'es nul. <laughs> Et même là, pour, cette, pour cette dernière, en fait, c'est une, une devinette que j'ai, que j'ai inventée, on va dire. Oui, j'ai inventé. Parce que euh, du coup, euh, bah, je trouvais le jeu, par rapport au jeu de mots, tap-tap, euh, du coup, un ou deux claquements de doigts, euh, voilà. C'est, pas... Donc, tu as dit c'est un classique, parce que parce qu'effectivement c'est devenu un classique devenu un classique <laughs> ah, c'est ancré <laughs> parce que c'est ancré ouais, effectivement et euh, mais voilà celle-là je l'ai euh, c'est une invention de ma part <laughs> mais en tout cas merci bah de rien merci, merci à vous mesdames euh, bah, à très bientôt euh, sur euh, voyageonlocal.blogspot.com merci de nous avoir écoutés pour cet épisode et à très bientôt ciao Bye.